de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, Rabia Mekano. Comme d'habitude, nous débutons euh, cette édition avec le flash d'information. Dans ce numéro, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène aujourd'hui à Dossou. Dans quelques instants, nous saurons un peu plus sur la situation des personnes handicapées à Zander et ça sera avec M. Maman Alassane, président de l'Association régionale des personnes handicapées de Zander, dans un entretien qu'il a accordé à notre correspondante Zara Boukad. Nous aurons la rubrique hebdo consacrée à la santé, ensuite le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangou et notre page sport. L'édition est assurée par Adam Adawaki. À la technique, nous avons Mustafa Ayouba. On débute cette euh, émission avec le flash d'information. Bonjour Nafissa. Bonjour Salam bonjour. bonjour Abia, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le niveau des eaux à la station de Niamey a atteint hier 19 août 2024 à la côte 620, le niveau donc d'alerte rouge avec risque d'inondation pour les riverains du fleuve selon un expert du centre agrimètre de Niamey. Le franchissement de cette côte exposerait les riverains à un risque important d'inondation malgré le rehaussement de la digue de protection, explique l'expert. Il préconise à cet effet aux populations vivant dans le lit majeur du fleuve de prendre toutes les dispositions pour ne pas être surprises, surtout que les conditions météorologiques restent favorables au développement des systèmes pluvieux orageux sur les zones du fleuve. Autre information, le secrétaire général du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, le colonel Hassan Makadassou, et le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires du Niger et Fred Alassane on co-présidé hier 19 août à Niamey la cérémonie de lancement officiel d'une vaste campagne nationale de plantation d'arbres sous le thème Planter un arbre, c'est bien, l'entretenir est mieux. Ces projets de reboisement initiés par le comité directeur de l'USN témoigne de tout l'intérêt accordé aux activités de préservation et de restauration de l'environnement en plantant plus de 15 000 arbres sur le site de Gesselbori. Enfin, au Niger, le dépistage des cancers gynécologiques est en cours d'intégration au service de santé primaire grâce à l'approche Open, un programme de l'OMS qui vise à intégrer la prise en charge des maladies non transmissibles dans les soins de base. Cette initiative en phase pilote est déployée dans le district de Mayaï, dans la région de Maradi, au centre sud du pays. Fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci bien, Nafissa. Chers auditeurs, dans notre entretien du jour, M. Maman Alassane, président de l'Association régionale des personnes handicapées de Zender, nous dresse la situation de ces derniers dans une interview qu'il a accordée à notre correspondante Zara Bouka à l'écoute. Mais avant, pour bien installer, nous vous proposons Ronnie Fulbier de El Damsiro. Foul Foulbé de Adamou Soumana alias euh, El Damsero que vous êtes en train d'écouter, chers auditeurs, né en 1999 à Tamou. Cela fait 4 ans qu'il a commencé à chanter. 12 titres à son actif, euh, équivalent à deux albums. Il chante en Haussa, en Zarma, mais tout récemment, il a commencé à chanter en Full Foulbé aussi. D'où vient le titre Ronnie Foulbé C'est pour ne pas oublier ses origines. Gimato Mix. Voilà, chers auditeurs, c'était El Damsero. Direction Zander, la situation des personnes handicapées est de plus en plus réalisante. L'autonomisation est devenue leur cheval de bataille grâce au soutien des autorités et des partenaires, explique Maman Alassan, président de l'Association régionale des personnes handicapées de Zander, dans cet entretien qu'il a accordé à Zara Boukar. La situation des personnes handicapées dans la région des Zander, on peut dire que vraiment elle est vraiment sur un bon rail sur le point insertion, vie socio-économique et culturelle vraiment. On peut parler de la vie des personnes handicapées qui sont scolarisées. Du moment que vraiment on a beaucoup des enfants, personnes handicapées qui sont scolarisées au niveau primaire, secondaire, lycée, université, et les écoles professionnelles. Et ils ne sont pas vraiment discriminés. Et puis, sur le trajet, les grands boulevards des Anders, tu vas vous constater il y a moins de personnes handicapées qui m'ont dit sur la route que les gens qui sont valides. Mhm. Là, vraiment, c'est une avancée et puis c'est un convoi qu'on est en train de mener nuit et jour. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les empêcher de, se livrer à la mendicité Bon, effectivement, avant, tu sais, on crée souvent des conditions où que leurs parents puissent laisser les enfants aller à l'école. Si l'enfant dépasse l'heure instruite à l'école, on l'amène dans des écoles professionnelles pour faire les apprentissages pratiques dans des CET, CFM le consorts. Et puis on fait encore souvent des AGR au niveau des parents de personnes handicapées qui peuvent vraiment avoir des préoccupations en même temps laisser les enfants aller à l'école. La Fédération régionale des personnes handicapées des Indes appuie même les enfants qui sont à l'école. Souvent, on a une école, même les garçons entiers qu'on subventionne à vivre. C'est comme une cantine qu'on a fait pour les élèves handicapés. Pour les encourager. Ouais, ouais. Ils mangent là-bas et il y a une voiture qu'on a mis à leur disposition qui circule pour le ramasser et puis encore le ramener la soirée à la maison. Quelles sont les activités actuellement auxquelles euh, les personnes handicapées s'adonnent euh, À part les activités scolaires, ils font ce qu'on appelle vraiment le travail pratique euh, des métiers, pratique les grillages, les chaises, les lipicots tout ce que la miniserie la miniserie métallique, tout ce que tu vois que les personnes peuvent faire, il y a vraiment une main-d'œuvre au niveau des personnes handicapées. Parce que du moment qu'on a un centre ici à Zander qui est géré par les personnes handicapées, et c'est un centre qui est renommé et reconnu sur l'exigence de leur qualité de leurs outils qu'ils fabriquent. Euh, est-ce que vous recevez des encouragements, par exemple, au niveau de, euh, que ce soit de la population ou bien des autorités Mais c'est ça où il y a vraiment un problème de coulement de notre stock. Du moment que maintenant c'est l'avènement du CNSP, qui est le nouveau gouverneur de Zander, qu'on salue beaucoup, qu'on le souffle beau à instruire vraiment les différents services de l'État à ceux qu'ils font la commande auprès des personnes handicapées. Vraiment, on tire chapeau et on remercie de ces gestes qu'il a pu faire ici à Zander. Et sinon, vraiment, on a des problèmes de coulement de stock. Comment on peut estimer la participation des personnes handicapées au niveau des Zender dans la gestion des affaires publiques Bon, on peut considérer que, bon, surtout de nous, euh, le gouverneur régional de la santé, il ne peut pas faire une réunion sans pour autant nous contacter. Mais à part ça, vraiment, c'est la seule euh, autorité dans la ville qui, vraiment, qui fait appel à nous. Sinon, vraiment, nous, dans la gestion publique ici à Zander, souvent on peut même mettre des organes euh, à gauche, à droite. Vraiment, il n'y a pas de personnes handicapées souvent. Maintenant, même que hier, j'ai appris à la radio qu'il y a eu un comité qu'on a mis en place au niveau de la mairie centrale pour appuyer l'administrateur délégué. Et bizarrement, il n'y a pas la représentation des personnes handicapées. On n'est pas représenté là-bas. Ce qui est déplorable. Très déplorable, vraiment. Parce que quelqu'un ne peut pas parler à ta place. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés Vraiment, on est confronté à des problèmes souvent euh, de mentalité. Parce que souvent, dès que tu te rends chez un, administrateur au niveau régional, il voit en toi une personne handicapée qui est venue pour chercher quelque chose. Alors que souvent, on est venu même pour les annoncer qu'on a eu un financement. Mhm. Nous voulons les inviter à nous accompagner. Et tu peux partir voir un directeur régional pour dire que c'est les personnes handicapées qui voulaient les voir. Automatiquement, dans sa tête, il va dire que nous voulons de l'aide. Alors que vraiment, ça devrait être changé de la tête des uns et des autres. Nous, on n'est pas là pour vraiment euh, commander et puis pour dire aux gens que nous, nous voulons vraiment que nous soyons autonomes debout. Comme l'a euh, dit le président Abdurrahman Chani. Parce que vous avez remarqué, le mois, au mois de mai, le président de la République chef de l'État Manchani a reçu la Fédération nationale des personnes handicapées, dont j'ai fais partie même de la délégation. Avant de poursuivre nos échanges, marquons une pause musicale pour écouter notre deuxième titre, qui est Soyeya de Benji et Rabi. c'est de la bombe, mais si ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Phénoménal, MCI, radical, Benji, toi-même, tu sais, c'est de la bombe, mais si ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Oh, Gabar Hanawa, idan kana hanawa na san wata ran baka hana ba. oh, les guerres, mon amour, maïroba. Dans cette vie d'amour, soleil, je pense à toi. wata tsalla don tsananin daɗi na yi waka wannan waka yan soyayya bon kerfe bum bum bum beya ole ni germo na muru mai loba wasa ba faɗa ne ba kai yaro ya zagi babba duniya taɓawa ka san wani ne ba zai taɓa ba wata ran da mu ake yi wata rana ba da mu ba za a yi ko mun mace na gambo ko tsuha ya ishe mu Ah. Qui soyez c'est euh, bien le titre que vous êtes en train d'écouter de Rabé Waziri Maigurumi et du rappeur Benji. Les deux artistes sont originaires de Zender, la capitale du Damagaram. Un featuring qui a bien cartonné et fait bouger la jeunesse nigérienne. La Rabé est très connue dans tous les quartiers de Zander. Malheureusement, il nous a quittés le mois dernier.

ta so amma babanta ya hana ta bismillahi Allah ka ba mu sa'a amin Allah ka taimake mu Allah taimaki bayinka in ji rabu dan garba ni auta mai kumbe ta gani tana so amma babanta ya hana ta Attaquons la deuxième partie de cet entretien avec Maman Alassane qui met l'accent sur les efforts consentis par les autorités locales en vue d'améliorer leurs conditions de vie. De vie. D'importantes actions sont en train d'être menées pour faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap une réalité au niveau régional. Maman Alassane, c'est le président de l'association des personnes handicapées de Zender. Il est au micro de Zara Boukar. La Fédération régionale des personnes handicapées, est sous tutelle du ministère de la Population. Donc on est sous la coupe du directeur régional de la santé publique, de DRSP. Depuis vraiment son arrivée à Zander, on peut dire que les personnes handicapées, vraiment, on un ambassadeur clair et net, vraiment. Vous, euh, à votre niveau, euh, qu'est-ce que vous faites euh, pour amener votre contribution, surtout que nous sommes à une ère de refondation Mais Madame, il faut regarder un peu en arrière. Nous sommes la première structure des organisations de société civile qui a donné son appui au fonds de contribution de la solidarité, le fonds national. C'est la Fédération régionale des personnes handicapées ici à Zander qui a mené la première contribution dans le cadre de l'action de la société civile. Nous sommes les premiers. Et puis, on fait, on fait des prières collectives. Ça, on fait ça toujours pour la stabilité et le développement de nos leaders qui sont sur la tête du pays. Quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour euh, qui est l'insertion des personnes handicapées soit une réalité. On est en train de mener des politiques souvent de négociations et euh, montrer aux gens que dans tout secteur, s'il y a un recrutement, nous allons vraiment aller regarder si les droits des personnes handicapées ont été gardés. Parce qu'on a droit à 5% dans tout recrutement de la fonction publique et des parapublics. 5%. Souvent, il y a des institutions qui euh, disent que bon, les personnes handicapées ne peut pas travailler, il y a un danger, alors qu'il y a toujours un danger dans une structure. C'est un moyen de nous écarter, on va que c'est un danger. Une personne handicapée ne peut pas être là. Et les gens oublient qu'on n'a pas acheté, on n'a pas emprunté, mm. et on n'a pas été maudit par quiconque pour avoir l'handicap. Et l'handicap est tapé à n'importe quelle porte de d'une famille et à tout moment ou à n'importe quelle heure. Parce que, exemple, maintenant, je suis une personne handicapée visuelle. J'ai un cabinet privé. Je suis kinésithérapeute à l'hôpital national des Indes. Donc, je peux donner un exemple. Je sers de modèle d'exemple dans des ateliers. Même si vous avez une personne handicapée chez vous, laissez-les aller à l'école. S'instruire, il va évoluer, il va réussir à tous ces parents des personnes handicapées qui aujourd'hui préfèrent envoyer leurs enfants de la rue pour euh, mendier qu'au lieu de les envoyer à l'école, euh, qu'est-ce que vous allez leur dire Bon, on va leur dire de se servir de notre exemple, qui est un exemple concret et clair, vraiment de laisser les enfants aller, à l'école, vraiment pour que les enfants deviennent autonomes. Et pour votre information, moi j'emploie des personnes qui sont valides et je suis une personne handicapée. Et on a vu plusieurs familles où c'est les personnes handicapées qui est la vitrine de la famille, celui qui réussit et qui prend à dos la famille. C'est pour cela que l'handicap n'est pas une fatalité ni une fin en soi. Il suffit que la personne se mette debout. L'handicapé maintenant, c'est celui qui refuse d'aller travailler, qui ah refuse d'être euh, à l'école. C'est lui l'handicapé. Vous avez un appel à lancer, je ne sais pas, au niveau des personnes handicapées ou bien au niveau des autorités, au plus haut niveau, le CNSP L'appel que j'ai à lancer au niveau mes frères personnes handicapées, c'est d'être unis et debout pour vraiment surmonter, parce que c'est un grand défi. Vivre avec un handicap jusqu'à la réussite, c'est un défi. Il faut vraiment qu'elle soit forte et ambitieuse en même temps et avoir l'abnégation du courage. Là, vraiment, c'est ça. Et au niveau des autorités régionales des Anders, nous les tirons chapeau et vraiment de continuer à nous considérer. On est fiers de vraiment. Au niveau du CNS, on a eu le soutien du président de la République, chef de l'État, général de brigade Abdelrahman Tchani. Il nous a réussi à la présidence. Il a fait deux heures et demie avec nous en échangeant. Il nous a bien écoutés. Et vraiment, il a pris beaucoup d'engagement que Dieu nous montre que ça soit exécuté dans un avenir très proche. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, direction d'IFA, plus précisément à Dindimi, depuis le 5 août dernier, l'hôpital du district sanitaire de la ville enregistre chaque jour plusieurs cas de diphtérie, malheureusement avec des décès. C'est ce qu'explique Jamilo Haruna, épidémiologiste à l'hôpital du district de Dindimi. Écoutons son entretien avec Abdoulaye Mena. Ce dernier temps, il y a une épidémie qui s'est déclenchée à Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette situation Je m'en vais directement donner un peu la définition de cette maladie-là. Et la diphtérie, c'est une maladie contagieuse causée par une bactérie qui produit des toxines. Elle peut se transmettre d'une personne à une autre. Cette personne, si elle éternue ou bien elle tousse, elle peut contaminer l'autre personne. Et c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, sans exception de tranche d'âge. Mais ceux qui sont plus touchés, c'est les enfants de 0 jusqu'à 14 ans. Donc, quels sont ces signes Nous retiendrons d'abord les signes suivants, les plus communs pour nous tous. Parce qu'il y a des définitions plus cliniques pour les cliniciens, mais nous retenons ici, et s'il y a la fièvre, le mal de gorge, enflement et ganglions au niveau du cou et asthénie. Cela veut dire quand il y a la fièvre, il y a le mal de gorge, il y a l'enflement au niveau du cou. Les ganglions du cou vont s'enfler. Il y a une asthénie. Une asthénie, c'est une fatigue générale. Nous allons retenir ça pour une définition un peu communautaire pour que tout le monde puisse se retrouver. Euh, cette maladie est-elle contagieuse Si oui, comment se fait la contamination La diphtérie, c'est une maladie contagieuse qui peut se transmettre d'une personne à une autre. Lorsqu'une personne infectée tous ou éternus C'est un peu par la voie aérienne. Mais il y a l'autre voie qui est en contact. Parce qu'il y a une autre forme de diphtérie. Ça, là, c'est encore plus euh, pour les cliniciens. Par le contact aussi, on peut se contaminer. Vous avez eu donc beaucoup de cas de diphtérie ici à Ngingimi Oui, on a eu à des cas de diphtérie. Les premiers cas, dans le mois d'août, ça a commencé le 5. Jusque-là, on est en train d'arrêter des cas. Malheureusement, nous avons arrêté des cas de décès pour cette maladie-là. Heureusement, encore, c'est une maladie. On est en train de surveiller. Il y a la surveillance qui est en train de de se faire. On est en train de faire la prise en charge, que la population se rassure que cette maladie, nous sommes en train de surveiller ça de près avec nos partenaires qui sont à côté de nous. Il y a le traitement qui est là, et tout est là. On a mis tous les dispositifs pour surveiller cette maladie et prendre normalement ces cas qu'on est en train d'enregistrer. Donc, euh, quels sont les modes de prévention de cette maladie La diphtérie, les modes de prévention, c'est surtout la vaccination, c'est depuis le bas âge, on commence, on fait la vaccination des enfants de 0 jusqu'à 23 mois. Et en cas d'épidémie, on peut élargir jusqu'à la population qui est plus touchée, de 0 jusqu'à 60 ans, ou bien pourquoi pas s'il y a la disponibilité de vacciner toute la communauté. Il y a les mesures d'hygiène, c'est-à-dire de respecter eh, la distance entre les gens. Comme c'est une maladie qui est aérienne, quelqu'un qui tousse ou qui parle à côté de toi, s'il émet de, de salive, elle est aérienne les mesures d'hygiène, c'est laver les mains, porter souvent les masques. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population pour plus de vigilance L'appel qu'on lance, c'est la vaccination. C'est de respecter les calendriers vaccinal des enfants et d'observer les mesures d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains, éviter les rassemblements, surtout en cette période pluvieuse, surtout dans cette période où on suspecte la maladie. Il y a la prévention de se faire vacciner, les mesures d'hygiène et de le premier signe de cette maladie dont on avait cité là-bas, c'est-à-dire la fièvre, le mal de gorge, difficultés respiratoires, difficulté à avaler, de vite se rendre au centre de santé le plus proche. il y a les deux centres de santé, le CSI urbain 1 et le CSI urbain 2, et si possible même venir directement à l'hôpital dès l'apparition des premiers signes. Inch'Allah, on va prendre en charge. Mais je tiens encore à rassurer la population que le district sanitaire de Nguimi est en train de fournir des efforts par rapport à la surveillance, par rapport à la prise en charge des cas de ces maladies-là. Merci à Abdoulaye Maina depuis Ingimi pour cet entretien, cher auditeur, soufflant encore en musique avec le groupe de rap Processus Verbal qui nous chante le titre J'aurais pu. Uh-huh. Le haram a trop de charme, on voit le bon couloir Sur l'avenir on s'acharne, on veut tous garder espoir Moi je jeunesse mal mené, comme un rat de laboratoire Son futur est sacrifié, y'a qu'en Dieu qu'on peut y croire Comment faire, comment dire, c'est les questions qu'on se pose Pourquoi moi, pourquoi lui, votre querelle en overdose Il est temps qu'on prenne pause et qu'on admet tous nos fautes Si tu veux un bateau, je t'apprendrai à nager yeah. Trop facile de s'y tomber à la tentation du diable Même quand on sait que l'enfer est tout sauf agréable les gens ne vivent plus que pour la monnaie et la guerre. Chaque décès d'un frère fait couler les lames d'une mère. Si rapper me fait rêver c'est que le micro efface mes drames Je dis mal à je t'aime pour ne plus voir mon cœur en flamme Le suicide guérit les problèmes si la vie. dans ce monde égoïste Dis-moi à qui se lier quand le futur est plié Tous les jeunes de ma caisse ont baissé leur front. Si le savoir est une arme, laisse-moi acheter un glock Pour plomber la misère, menacer la galère braquer la richesse, fesser la haisse et m'acheter une tanière. On avance dans le péché normal que les larmes de nos mères ont du mal à se sécher. Si nos pères sont déçus, c'est que nos chères sœurs traînent à nu dans les rues. Va leur dire que voler père et mère N'est pas gage d'un futur prospère Mais ouvre les portes de l'enfer Comment faire Dis-moi pourquoi se taire Quand la peine et la poisse même de nos affaires Et que le ciel laisse faire J'implore le pardon, retiens les leçons Prie la tristesse nous entoure. Je pense à mon parcours, pas facile et plein de bravoure. Je mate le compte à homme de joie et d'amour. Souvent et nos car la pauvreté ne connaît pas le mot. Certains nous ont quittés, en nous ils restaurants. Je pense à la cité, avoir des amis c'est si bon. Je pense à mon quartier, aux plat que nous faisions. Je me sens aimé, respecté j'ai une position. C'est le titre J'aurais pu euh, du groupe de rap Processus Verbal qui nous amène à Gaïa pour notre reportage région. De nos jours, les filles portent souvent le hijab, comme habits, aux cérémonies de mariage en ville et même dans les écoles. Une situation que certaines personnes jugent inappropriée en raison de la façon dont certaines filles utilisent le hijab, notamment pour cacher l'habillement contraire à la normale. Notre correspondante de Gaïa, Ramoto Issa s'est intéressée à ce sujet. Je vous propose d'écouter son reportage. A Nijar da duk da cewa saka hijabi ya zama wajibi ga 'yan mata a musulunce, to sai dai a share ɗaya galibin 'yan mata na ganin saka hijabi ga budurwa na iya hana wasu maza su gane cewa ba matar aure ba ce a cewar 'yan mata rahina. Ni budurwa ce, in zo in saka ijabi wanda ya gane ni ma yana ce ni mata arameta ta dan shi ne kaga mutum ya sa dikon shi ba a ce mutum ya hudurdu jikin shi waje ba amma dai in kai dan shirin ka sa dan dikon ka ka hi kyau tun kana baya ma kana walkiya in an gane ka kana da kyau amma ka sa ijabi kana cewa kowa ma bai san ko mutum ya huce ba sannu a hankali dai shigar wasu 'yan mata na daɗa canzawa inda wasu suke saka hijabi har ma da niƙabi lamarin da ya zama tamkar sabon yayi a 'yan shekaru baya-bayan nan. 'Yan mata Rufatu mai ra'ayin saka hijabi ce har ma da niƙabi. Saboda hina biri ina da ra'ayin shi ne. Wa'yan in sun ka gane ni ina sa hijabi kyan gada niƙabi kyan gada nake sawa kullum ko da yaushe. Wasu suna aza kamar ni mata aure ce. Alhali ko ni ra'ayi na na aure na don hina birgin na saboda ban son sa mayahi. To sai dai ga wasu 'yan mata kamar Sharifa da kuma Zalika saka hijabi na da lokacin shi da kuma guraren da ya dace a saka shi. A ni gaskiya ban sa hijabi in na yi wanka na shirya kamar zan wajen arme ko an gayyake ni wajen wani fet haka. Ina saka dan karamin mayahi na 'yan mata haka. Kawai ina jin kumya kumya mutum shine zan sa hijabi. To lokacin da nake sa hijabi kamar da rana haka in zan je wajen aiki haka. Amma in wajen armi zani ko wajen biki haka ina iya sa diko in ma hau da wani perik in yi shiri na dai haka na 'yan mata in ta wajen biki. Amma in dai wajen aiki ne haka ina iya sa hijabi haka. Menene dalili? idan za ki wurin aiki hakan ke saka hijabi idan za ki biki kuma ki saka gyale in za ni wurin abin ga biki haka da yake ni da kawaye na ne wannan ina samun karhin diko amma kamar da in ni kadai ce zan hita haka ban iya sa diko. magidanta irin sa haruna na ganin saka hijabi ga yan mata na iya zama wata hanyar yaudara ke kina sa hijabi don a gane ki a dauke ki wata babban malama namiji ya ganki a aure ki wallahi baki samun namijin kwarai duka wanda ya san kiwon kansa bai gane ki ke budurwa don kina sakin hijabi a aure ki sai dai kila ki samu mai karya shi kuma da addini ya ganki da izabi gidanku ne zai taya ca na ga wallahi tana son addinin musulunci kullum cikin izabi ta ce shi ma a dauke shi kamar shi ma mai addinin musulunci ne zai a bashe ki aure ina gani za ki gane kuranki a cewar uwayen ɗiyan da na hira da su lallai saka hijabi yana nuna tarbiyya ne sai dai kuma akwai bukatar uwaye su kara saka ido ga 'ya'yansu domin tabbatar da cewa eh lallai hijabin ne a gare su ba wani kaya a ƙasa ba. Lalle wannan ma yana cikin tarbiyya, amma kuma wasu ba dan tarbiyya ba ne suke sa shi. Wasu saboda sa ƙananan kaya a sa ƙananan kaya daga ciki a kawo hijabi a sa da sama. Kin san hijabi ya iya ruha mutum asiri. In ka sa shi babu wanda ya san abun da a ƙarƙashin shi. hijabi wallahi kowa da abin da yasa yake sa shi yaran yanzu hijabin ma ne yi da lalata su lalatar da suke yi cikin hijabi ai wanda yake yawo zirma bai yi shi ba gari ba kika ga shekarun baya babu hijabi amma lalacewa ba ta kai ta yanzu ba yara cikin hijabi lakwaloli suna matsawa sai an sa yau hijabi amma ɓannar da ake cikin hijabi ta hita wanda lokacin da ba a sa hijabi yawa ba. Yanzu haka dai saka hijabi na ci gaba da mamaye zukatan 'yan mata musamman ma da kusan kowane lokaci ana samun sabbin kalolin hijabai da ke kara fitowa a cikin kasuwanni. kana kuma sannu a hankali 'yan mata na kara sha'awar saka hijabi a maimakon saka ɗan kwali lamarin da ke sa yawanci maza ba sa iya tantance mata aure da kuma budurwa ramtu isa wanke studio kalangu gaya Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Attaquons la page sport avec notre chroniqueur sportif Asumi Grouza qui vient juste de nous rejoindre. Bonjour Asumi. Euh, bonjour euh, Rabi. Alors, voilà, Gourouza, l'ASFAN était en déplacement au Togo où l'équipe a joué un match qui s'est soldé par un score nul, deux buts partout face à, face à ASC 2 Cara du Togo. Euh, oui, euh, Salamoto, en effet, euh, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est le match aller qui s'est déroulé dimanche dernier à au Togo et le club nigérien a tenu euh, l'équipe togolaise en échec par un match nul en déplacement qui est synonyme de victoire. Deux-deux score final à l'issue de cette rencontre, l'entraîneur de l'ASFAN s'est dit satisfait. Aboubakar Mohamed Fataou au micro de Salamoto Kadri. mun zo lome mun bala balawa dede da mun zo mu bai yi ba mu match gida eh, to gaskiya mun samu dan boys nan sun magana yaran sun ji magana eh, yasa ya bari komai da muke yin duka ya yi sauki saboda maganganun da muka yi musu ba sun yi sannan eh, kamin mu zo lome mu preparation da muka yi na zo mu yi defender mu samu kare a yi ganye mu insha Allah wannan kuma yayi yasa sai mu ce alhamdulillah balon yayi yi kyau yanzu za mu zo gida mu yi preparation ko mu duba in suka zo yadda za mu yi mu samu victoire so da sunan ce mu mu samu kalfi mu ci gaba da competition insha Allah Aboubakar Mohamed Fataou, entraîneur de l'AS Le match retour est prévu dimanche prochain au Stade Général Sénécountier de Niamey le TGV de Mayaï se poursuit actuellement. Oui, euh, Rabi, je m'en vais vous donner quelques résultats de ce tournoi à local. Renaissance de Mayaï a concassé l'équipe de Tchéké sur le score fleuve de 11 buts à 0. Match nul 2 buts partout entre pouvoir de Sarkin Houssa et Buropa. Pendant ce temps, l'élevage de Mayaï a perdu un but à 3 devant Kanem Kaché, et 0-0 match entre Caché et pas. Il faut noter que les organisateurs de ce tournoi des grandes vacances ont pris l'aspect santé au sérieux. C'est pour cette raison qu'ils ont prévu une commission de santé qui va prendre en charge immédiatement les joueurs en cas de blessure. Notre correspondant sur place, Issoufou Chaibou, s'est entretenu avec le président de cette commission, Moussa Akili Maman Rabiou. Nous l'écoutons. na farko sai mu ce gaskiya bana alhamdulillah saboda babu yawan eh, blessed da wanda suke jin ciwo kamar suka yi fofa ne suka faɗi kun san jikin yana iya samun rauni wani bi kamar suka kirba wajen bugun balo kahon su nan ma ana samun wani shock ko ko dan balo ya yi takilan wani ya faɗi nan ma ana iya dan samu eh, jin ciwo ko ko dai wajen sun yi tsallo gaba ɗaya su duka suna neman balo su yi karo nan ma ana samun wani ɗan rauni gaskiya fisibila wasu yawancin su sun gaji ne duk in an zo yin balo su ja hankalin 'yan balo sosai yadda ya kamata su kwatanta musu lalle balon gasa sada zumunta ne su sa cikin kansu wurin wasa da dariya ne Voilà, c'était la Akil Maman Rabiou de la commission à euh, santé. Voilà, Gourouza Mayayi pour Magaria pour parler d'un TGV qui sera lancé aujourd'hui, 20 août 2024. Oui, effectivement, c'est la deuxième édition du tournoi des grandes vacances du département de Magaria. Je m'en vais vous donner le calendrier du tirage au sort. Bandé sera face à Yekwa. Dankios croisera le fer à Tinkim. Château FC va affronter sa LFC. Sabongari sera face à Monaco FC. Mais la particularité, il faut le souligner, de ce tournoi est que les matchs seront coup KO. C'est-à-dire, à, l'issue d'une rencontre, euh, le, perdant est directement éliminé. Voilà le principe. Et selon les organisateurs de ce tournoi, l'objectif, l'objectif vise viser et la cohésion sociale, la paix et la fraternité entre les jeunes. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci. bien, Gouza. Bonne journée à toi. Merci. Chers auditeurs, après le sport, allons découvrir notre star du jour dans la rubrique Portrait. Et dans la rubrique portrait, nous restons toujours en sport parce que nous allons parler des membres du club cycliste Saraounia de Dogondouti. Salif Ibrahim est un des rares cyclistes à l'intérieur du pays à participer à plusieurs compétitions nationales et internationales. Son portrait avec Abdelaziz Dayouma. Âgé de 29 ans et de taille moyenne, Salifou Ibrahim fait du vélo depuis plus de 10 ans juste par plaisir. C'est en 2013 que j'ai embrassé le cyclisme parce que en voyant les jeunes courir à vélo, ça me plaît. Pendant ces dix ans, Salifou Ibrahim a eu l'occasion de participer à plusieurs compétitions locales, nationales et internationales avec toujours des résultats réconfortants. J'ai participé à plusieurs compétitions ici à Dogonduchi, ensuite à Tawa, Koni, Madawa, Zander, Dosso, Anyame. J'ai participé autour de Togo et de la Côte d'Ivoire aussi. Jusque-là, je n'ai pas occupé la première place ailleurs, mais j'ai eu à occuper la deuxième, la troisième et la quatrième place. Comment Salifou arrive-t-il à joindre les deux bouts surtout se doter d'un bon matériel pour concrétiser sa passion. Par rapport au profit, je ne dis pas que je ne gagne rien, mais la course de vélo, je ne la fais pas pour l'argent. Je pratique déjà une autre activité commerciale. La course, je la fais pour le plaisir et le patriotisme. Je peux beaucoup gagner, mais je suis bloqué par le manque du matériel. Les prestations de Salifou Ibrahim sont bien appréciées par son entraîneur Ousmane Yakoubou qui plaide pour le soutien. Salifou, Vraiment, c'est un enfant courageux. C'est même un élément de l'équipe nationale du Niger. Malheureusement, le défaut qu'il y a, c'est le soutien. Il n'a pas le soutien physique et moral. Malheureusement pour lui, moi, avec moi, chaque fois, il vient me demander des, conseils. Je donne des conseils. Je l'accompagne dans ses entraînements. Je que, que les autorités en place vraiment nous donnent main forte Salif Ibrahim se prépare activement pour le Tour du Niger en décembre prochain afin de porter le maillot jaune qui symbolise la victoire. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait du jour, euh, un tour en musique avec 227 euh, concepts qui nous chantent la Nigérienne, une manière de bien clôturer l'émission. ageta bitinga kasa mandiba tora nigeria Chers auditeurs, c'était 227 Concept. Passons à présent à la rubrique Loti. Propager des ragots et fausses rumeurs sur autrui et néfaste, un sujet que les femmes du studio Kalangu abordent avec sérieux dans le loti d'aujourd'hui. Elle explore, les impacts sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Rekia Arimi et Samira Rouafi. masokiji masokiji masokiji masokiji masokiji masokiji sai me? Abi ke ce ko kuma kuna tare tunda ni a sani na tunda muka bar anguwan nan ba mu sake ganin ta ba. A'a ba abokiyar mu bace. Biki shi abin da ta yi ma'anna ba. Me ta yi? Ga cewar mutane magance ta ta yi shine ma sanadiyar rashin lahiya anna. <laughs> Waye gaya miki wannan zancen? Mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki. Kina iya gaya mini me yasa Rahina za ta iya ma anna irin wannan abun? ba ke ko kina yi kamar baki sani ba. kowa ya san da cewa anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta ita kuma rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunan wurin malami don ta kare da ita hmm. ke ma biki yarda da kanki ba a cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne hmm? kin ga ke yanzu biki sani ba zato ne kike yi to yanzu ni wani labarin ne na ji ta aka yi hanna batta da lafiya ne tana ciwon oda ne na jira kullum ina haɗe miki ki bar jita jita wannan ce ce ku ce wallahi babu kyau to amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita jita hmm. a'a inda gaske ne ni na ce duniya ce ta sake kishin dan uwanka ya zama ruwan dare ga makare kuma ba kyau kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi mm. kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi to haka ne <laughs> to ni yanzu in nace ke ma kina kishi na ha a'a dan me zan yi irin abu wani abu irin haka da Allah bari haba to kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan haka rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin Hmm, na dai shi to zo mu wuce daga bannan dai ke kar karki yi wani boye-boye idan kin gane ta ba ta yi miki komi ba ba ta yi komi ba to to na dai shi na gane kuma to ki saki fuska mun kawata dukkin bikin sa suka juna kamar da ke na yi ba dole ba in saki fuska aike ni ke ce nake yi wa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ki bari mu <laughs> to shikenan mutum du jour. Merci les filles. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Asumana China qui nous vient avec le mot inondation qui est bien une réalité. Bonjour China. Bonjour Rabi, bonjour Salamatou. Bonjour China. Oui, inondation vraiment une réalité parce que nous sommes euh, en pleine saison pluvieuse. Bon, comme euh, le demander de lafiyar hausa bari mu koma wancan harshe ko to marala da kasance a cikin wannan shiri wanda muke kawo muku wato ma'anar kalmomi ah, kamar da kuka sani yanzu muna cikin lokacin damana inda ake yin ruwan sama kama da bakin kwarya kamar yadda bahaushe ke faɗi wato ruwan sama masu yawa eh saboda haka a ah, yau mun zo muku da wannan kalma da ake kira inundation da faransanci amma da hausa ana cewa ambaliya ita ambaliya kuma tana da sakamako da tana da tasiri akan rayuwar dan adam da kuma ta muhalli da dai sauransu kamar da kuka sani yanzu haka mana cikin wannan lokaci kuma ita wannan ambaliya eh, tana ruwa ne ke cika wasu wurare waɗanda ba su da zurfi sai ya zamanto ruwa sun zo sun cika sun batse har su gudana ko su cikin gonaki ko ma cikin eh, ɗakuna da sauransu yanzu haka ma eh, halin da ke ciki a nan yamai garin yamma ya san kamar ya katse da sauran birane in ka hanya mai zuwa filin ge hanya mai zuwa doso da hanya mai zuwa wajen kwalo sun riga sun katse wannan kuma sanadiyar ambaliya wato ruwan da suka zo suka mamaye wurare a hanya ta katse sannan kuma ya shiga cikin gonaki inda har masu gonaki suna eh, kamar fargaba cewa za su batar da wasu shuke-shuken da sun kai zai lalacewa akwai ma rugushewar gidaje muna samun misalai kwanakin nan kwanakin baya kun ji irin yadda wani al'amari ya fara a wajen talamsas wato yankin tawa inda mutane suka rasa rayukansu sanadiyar wannan ambaliya da tattahe da motoci ga dai misalai da dama eh, wanda yanzu haka hukumomi na ɗaukar matakai domin ganin cewa an ciwo kan wannan matsala abu ne da ke faruwa shekarun baya bayan nan kasancewar ana fuskantar eh, canjin yanayi wanda shine ke haddasa kamar rufewar wasu inda ruwa ke kama kama tafkuna da sauransu hakan ana samun shiga ƙasa wannan kuma yana ƙarfafa wato sa'ar samun ambaliyar ruwa wanda yake kai ma ga eh, hasarar rayuka da ta dabbobi da sauransu to kun ji da ambaliya dai ruwa suna daɗi na sama amma wannan ambaliya kuma tana tare da wasu illoli ga rayuwar adam ta yau da kullum saboda haka ake kokarin ɗaukar matakai lokaci zuwa lokaci domin ganin cewa an huskanci wani al'amari a takaice ga ɗin bayanin zan kama gowa game da wannan kalma mai ake kira ambaliya da hausa amma idan da inundation kuma da faransanci Merci beaucoup, China, chers auditeurs. Merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana Muhammad Sani Dauda Cinwaza an fi sani na da fikiman Erogan mamba ne kuma kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da ke nan jihar da Magara. To gaskiya shirye-shiryen studio Kalangu suna matukar kayatar da ni musamman ma shirin da ake yi nan na haɗu a fada gaskiya shirin nan yana birge ni da kuma shirin nan na sanin doka wanda ayoyin doka ake tambayar masana doka a ce doka me ta ce a kan kaza. To wannan shirin a labaru da ake yin shi yana matukar burge ni sosai sosai Ah, sai dai kuma ah, kamar labaransa da kuke wallafawa a shafukan sada zumunta su ma suna matukar kayatar da mu amma kiran mu a gare su da su yaka yin wallafawa da hausa ma duk da al'ummar mu na nan yankin sun fi aiki da harshen hausa da za su ganin masu bibiyar su sosai sosai ina ku fatan alkhairi ina kuma gaida dukkanin ma'aikatan Studio Kalangu, ma'aikatan radio Shukura, ma'aikatan dukkan gidajen radio na jihar da magaram da dukkan mambobi na masu kira da sauran radio na Afirka. baki ɗaya da kuma masu kira da sauraron radiyo na jihar da magaran eh, rashin jagorancin rabin mai aski na gaida yan fada na erogan da yan burin zuciya sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaran a jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya mu al'ummar jamhuriyar nijar tsakanin mu da rediyo studio kalango sai yabo da shinshina da fatan alheri da kuma alasan barka tare da fatan allah subhanahu wata'ala ya kara daga likafar wannan gidan rediyo sama kuma allah ya kara ma ma'aikatan ta hazaka da nisan kwana masu amfani ganin ganin yadda a kullum kuke kokarin tunatar da mu da kuma sanar da mu abin da ke wakana a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar da kuma bullo da shirye-shirye masu ƙara ma matasan mu gwiwa akan neman sana'o'in dogaro da kai waɗannan kuma duk kuna yin su ne a cikin harsoshi daban-daban na cikin ƙasar tamu jamhuriyar Nijar da haka muke muku fatan alheri idan da dama muna buƙatar ku ƙara eh, lokaci akan shirye-shiryen ku na harsunan Hausa domin mu masu bibiyar ku da harshen Hausa mu amfana kamar yadda a ɗan lokacin ma da kuka ware muke amfana amfana daga bisani kuma zan dire da gaishe daga wasu daga cikin ma'abuta wannan tasha kamar su isuho makeri madattai sai mamman sani daudacin waza akwai kuma wakilin ku a nan jihar da magaram ina kaishe da shi ina muku fatan alheri studio kalangu Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. اقص نجارك لي نجارك للخير كل الشكا ينقال Chers auditeurs du Niger sur Kalangu, c'est avec ces belles notes musicales que nous clôturons cette édition de ce mardi 20 août 2024. On se lit demain avec un nouveau duo bien sûr. Vous étiez en compagnie de moi, Salam Kadir et Rabia Mekano. L'édition a été assurée par Adam Donwaki et la technique par Mustafa Aouyouba. Très bon après-midi. Bye bye.